Producteur du studio Kalangu, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangu. Pour vous accompagner aujourd'hui, je suis le Top Draman avec moi Rabia Mekano. Du côté de la régie, nous avons Seini Saka à la technique et Adama Dawachi à l'édition. Bonjour Rabi, comment ça va ça va bien, Ruki, et toi, ça va Ça va très bien. Alors, fidèles auditeurs, pour vous informer vous divertir, nous avons concocté un programme riche et varié. Le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, la page sport, la rubrique portrait, le loti du jour et de la musique 100% nigérienne. Et l'entretien du jour porte sur les risques liés à la saison de pluie. Notre correspondant Fadel Alou s'est entretenu avec l'adjudant-chef Souleyman Assouman, responsable des sapeurs-pompiers de Gaïa, région de Dosso. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'informations présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va très bien. Alors pour ce matin, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen préside la revue conjointe du portefeuille des projets par la Banque mondiale aujourd'hui, mercredi 24 juillet 2024 à Niamey. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos éditions ce soir. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a organisé hier mardi 23 juin 2024 à son siège de Niamey un séminaire sur la contribution des opérateurs de télécommunications fixes, mobiles et FAI à la réduction de la facture numérique dans le contexte de la sauvegarde de la patrie. Organisé en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique et l'Agence nationale pour la société de l'information, l'objectif de cet atelier d'échange et de réflexion est d'améliorer amener les opérateurs de télécommunications présents sur le marché national à contribuer à la réduction de la facture numérique. Au terme des travaux, les participants ont formulé une série de recommandations sur plusieurs aspects qui sont de nature à accompagner cette dynamique et ainsi contribuer à atteindre les aspirations des autorités et des populations en matière de promotion d'éthique au Niger au moins 15 soldats sont tombés au front lors d'un accrochage entre une unité des forces de défense et de sécurité et des assaillants armés présumés terroristes lundi 22 juin 2024 a annoncé mardi dans un communiqué le ministère de la Défense nationale. L'accrochage a eu lieu près de Foneko sur l'axe Bankilaritera dans la région de Tilaberi et selon la même source 21 terroristes ont également été tués lors des affrontements et des opérations de ratissage dans cette zone des trois frontières près de la frontière burkinabé où les forces nigériennes ont intensifié ces derniers temps les opérations militaires à la suite de la recrudescence des attaques menées par les groupes armés terroristes, principalement le GNIM et l'EIS. Voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rafika, merci pour tout. Alors, fidèles auditeurs, comme annoncé, notre entretien du jour traite des risques liés à la saison des pluies. Mais avant de suivre la première partie de notre entretien, nous allons partir en musique et je vous propose Kirari de la grande ZM. Obama right might, might, might be about you. Ifo nitenda hapo, nikasira pobei, nikangawa ni zei, nikanga chase, nikanga kom, bado mikro isaka hanya kirki, na farko aboguda, kasokiniya, kasanda rap, bada masakin dan uwa, bada macin hakin dan uwa, Doming, mas ada da dama ke cikin kasa, matasa babu aiki, laftani babu magani, mata karkara na so ichi, basu da hutu, su Amma ka zagi wane ka ɓaci wance rap Shi zai sake rayuwar matasa hama ya sake iko Ifo te da rapo Shi mi suka mai da rap ko rap ta mai da su Beware of my family danger Or the next rhyme I write might, might, might be about you Beware of my family choho nivo ke kana hoti ho kai da yo yo mi ka to kirap yo rap de babu zanga zanga kai ko sai da ilmi sai da wayo ana rap da nema inci kana wake in baka abun faɗi ka daina zage zage wai mi kuka mai da rap shimi mi suka mai da rap yo rap gangster promoter Boubacar Zahra Moussa alias Zedem est née en 1979 à Zender. Elle est l'une des pionnières du hip-hop féminin d'Afrique de l'Ouest. Zedem relève le défi de se faire une place dans le milieu du rap nigérien, jusque-là dominé par les hommes. Elle a entamé sa carrière musicale en 2002 et la même année, elle remporte le premier prix d'un concours musical organisé par l'ambassade de France via le Centre culturel franco-nigérien. Et ce fut la consécration car cela a permis à l'artiste d'enregistrer ses deux euh, ces deux singles qui l'ont davantage propulsé dans ce milieu. Zedem sort en février 2005 son premier album Kirari, qui veut dire en Hausa défi, qui, qui comporte 12 titres. <laughs> Après cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio pour écouter la première partie de notre entretien du jour. Direction Gaïa, où l'adjudant-chef Souleymane Assouman, responsable des sapeurs-pompiers de la dite localité, tire la sonnette d'alarme sur les risques liés à la saison des pluies. Les fortes pluies, si bénéfiques pour l'agriculture, peuvent également enregistrer des dangers pour la sécurité des personnes. En effet, les eaux stagnantes, les fosses septiques débordantes à l'air libre et les eaux, et les eaux de ruissellement peuvent causer de graves dangers. L'adjudant-chef Souleymane Assouman insiste également sur l'importance de la sensibilisation et de l'éducation pour limiter les risques liés à la saison des pluies. Suivez l'entretien qu'il a accordé à Fadel Alou. Bonjour, adjudant-chef euh, Suleiman euh, Assouman. Merci de nous accorder cet entretien. Adjudant-chef, euh, nous constatons que pendant cette période de pluie, de nombreuses fosses sceptiques sont laissées à l'air libre, ce qui pose des risques importants. Quelles sont les dispositions prises par les sapeurs-pompiers pour sensibiliser les populations à ce sujet Bonjour, cher auditeur. On va profiter pour sensibiliser la population par rapport aux risques liées aux fosses septiques, les puits perdus et autres euh, fosses, en tout cas, dans lesquelles peut-être euh, on met des ordures qui sont souvent profondes Donc, compte tenu de la saison pluvieuse, vous n'êtes pas sans savoir que ces fosses-là vont se remplir d'eau et qu'on a des enfants qui souvent sont curieux, ils s'adonnent à des jeux, voire même aller regarder ou peut-être se baigner dedans. Donc là, le risque zéro n'existe pas parce que vous en avez vu récemment, on a enregistré un cas de trois morts, notamment des petits-enfants âgés de 2 à 4 ans. Donc, euh, dans ce sens, il serait correct, en tout cas, après avoir creusé une fosse, de pouvoir, en tout cas, la refermer. Si le travail n'est pas fini, c'est de la fermer et par après, la réouvrir et continuer les travaux. Mais c'est pas bon, en tout cas, de la laisser à ciel ouverte non seulement pour les animaux aussi et les enfants. Donc, il y en a aussi qui construisent en tout cas des puits perdus dont les fermetures ne sont pas du tout convaincantes, notamment ne sont pas du tout solides par rapport à la fosse, soit l'usage du matériel, donc d'autres mettent du fer qui est très léger, souvent sous une petite pression, la fermeture cède. Donc la personne, le bien ou l'animal peut se retrouver dans la fosse. Donc cela vraiment est à revoir. Et pour cela, en fait, on lance cet appel à l'égard de toute la population de Gaïa, en tout cas, de veiller à cela afin d'éviter ces genres d'accidents qui arrivent. Donc, en réalité, c'est pour sauver des vies. Donc, les forces qu'on fait, en tout cas, que ce soit dans les maisons ou en dehors des maisons, en tout cas, sont à refermer par des couvercles pour éviter, en tout cas, ces différents accidents qui peuvent arriver. Adjudant-chef, quels sont les critères à respecter pour euh, la construction d'une fosse septique euh, ou autre fosse Selon la législation, en réalité, ces fosses, ils sont creusés le plus souvent, d'autres dans les maisons, au niveau des toilettes, d'autres c'est à l'extérieur à une hauteur, en tout cas à une distance qui n'est pas trop loin de votre mur, pour ne pas que ça se trouve sur la chaussée. quoi. Et quand on fait ces fosses, on les construit vraiment, c'est avec euh, des matériels de qualité pour éviter leur effondrement et sous l'effet d'un poids quelconque, que ce soit euh, d'une voiture peut-être par exemple, d'une personne ou d'un animal. Donc normalement, c'est des choses qui doivent être bien faites pour éviter les accidents parce que ça nous arrive souvent d'aller s'asseoir deux fois sur une fosse, on appelle sur, les, les, les arbres des fosses, surtout à l'extérieur des maisons. Et vous voyez que des fois, des jeunes viennent s'asseoir sur des fosses. Et si le travail n'est pas bien fait, il y a un risque qu'encourent ces jeunes ou bien ces personnes une fois qu'ils sont assis là-dessus. Donc vraiment, ça va de soi à ce que les gens se mettent du sérieux dans tout ce qu'ils font afin de pouvoir sauver des vies en évitant bien sûr des accidents. C'est un entretien réalisé par Fadel Alou sur les risques liés à la saison des pluies et au micro, c'était l'adjudant-chef Suleiman Assouman. Continuons notre voyage musical avant de revenir pour la deuxième partie de nos échanges avec un boys band de la musique touareg et celui du pur rock efficace de Etran de l'Aïr ou Étoile de Originaire de la ville d'Agadez, ce groupe met l'ambiance lors des mariages, baptêmes, événements politiques et soirées en plein air. Le groupe s'est formé en 1995 et fonctionne comme un collectif familial. Au fil des années, il s'est adapté, amplifiant la guitare acoustique avec un micro transducteur, acquérant des guitares électriques et éléments de batterie. Leur musique se distingue du style typique des Touaregs. La démarche de Etran capture les sons contemporains d'Agadez, incorporant des musiques ethniques très différentes très différentes dans leur répertoire. Alors, la guitare touareg suit un format prévisible. Etran brise les conventions et intègre par exemple une troisième guitare dans la formation. Les deux guitares solo se superposent en dialogue constant avec une réponse fracassante de la batterie il surfe à la perfection sur du rock et du desert blues. passé de 16 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la bonne fréquence et vous suivez en direct l'émission Le Niger sur Kalangou. Dans la deuxième partie de notre entretien du jour, l'adjudant-chef Souleyman Assouman, responsable des sapeurs-pompiers de Gaïa, aborde la question des plaintes relatives aux conflits entre voisins dus aux eaux de ruissellement bloquées par certains. Il, appelle, il lance un appel au chef de famille pour qu'il privilégie le dialogue. On l'écoute au micro de Fadel Alou. qui est sur les caniveaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, quand il y a des pluies importantes, notamment on est en train de rentrer dans les mois dans lesquels vraiment on risque de grandes pluies. Donc on aimerait à ce que les voisins puissent se comprendre parce que des fois, les eaux de ruissellement, dans une maison, vous allez trouver que, en tout cas, la maison est presque pleine d'eau, alors que le voisin d'à côté, eh, sur son mur, n'a pas laissé une petite brèche ou un petit passage d'eau pour que les eaux puissent, en tout cas, euh, ruisseler et retrouver le cours normal afin de se jeter peut-être dans le grand ravin. Donc souvent il y a ce problème-là entre deux voisins, l'autre a construit, ne laissant pas en tout cas une échappatoire pour les eaux. Du coup, la maison du voisin sera inondée, or que toi tu es là, tu dors tranquillement, sans pourtant se soucier de cela. Donc ça, c'est pas bon. Donc entre eux, souvent des fois il y a des petits conflits comme ça. Mais il serait mieux de se comprendre Hein? c'est parce que ce n'est que dans cette saison pluvieuse seulement. À part la saison pluvieuse là, on n'aura pas des eaux de plus seulement. Donc ça, ne sert à rien d'être vraiment méchant, si je peux le dire, à l'égard de son voisin. Vous voyez qu'en réalité, que sa, sa, maison est, pleine d'eau, peut-être que ça menace même les constructions. Donc ça ne vous coûte rien d'ouvrir une petite brèche pour que les eaux puissent passer, parce que les eaux ne vont pas rester aussi chez vous, ils vont continuer leur, leur chemin. quoi. Donc, euh, il n'y a pas longtemps aussi, suite à une rencontre avec les différents chefs de quartier, on a eu à leur rappeler ça, les sensibiliser, pour qu'ils puissent à leur tour aussi sensibiliser les, différents habitants de leur quartier par rapport à, ce problème. Parce que généralement, quand il y a un problème, le plus souvent, il, remonte au niveau du chef de quartier. Donc, à, son niveau, il peut tout de même régler ce problème pour qu'en tout cas, c'est une compréhension, quoi, une compréhension entre, entre les gens, quoi. Ils se comprennent et puis c'est fini, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Adjudant-chef, quelles sont les précautions euh, à prendre pour protéger les personnes et les animaux domestiques pendant les fortes pluies Tout à fait. Et il y en a d'autres qui peuvent en tout cas laisser leurs animaux dans un ravin par exemple. Donc il peut y avoir pluie quelque part sans que vous le sachiez. Et ces ravins-là, souvent, c'est des grands ravins, ils viennent avec euh, un volume d'eau très important et avec une vitesse, vous voyez, ça peut emporter en tout cas pas mal d'animaux. Cette année, je crois qu'il y a eu beaucoup de pertes dans le cheptel et un peu partout, en tout cas dans le Niger. Donc cela vraiment est à éviter. Donc c'est pas bon, même s'il s'agit de faire perdre le troupeau, il faut éviter en tout cas les ravins dans ces moments de grandes pluies. Et aussi, dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens, c'est pas bon pour nous autres qui ne sommes pas en tout cas éleveurs qui partent avec les animaux, comment ils ne les font pas Peut-être qu'ils sont attachés à la maison, c'est pas bon d'attacher un animal sous un arbre pendant ces grandes pluies, parce que souvent c'est mélangé avec du vent. L'arbre peut tomber et peut-être sur les animaux, vous comprenez. Et aussi si vous garez vos véhicules sous les arbres, donc c'est dans le cadre de la protection des, des biens, donc aussi avec le vent, ces branches-là peuvent tomber et endommager vos biens. Donc c'est des choses vraiment à éviter pendant les saisons pluvieuses. Donc voilà un peu l'appel que j'ai adressé à toute la population du département de Gaïa pour qu'ils puissent en tout cas se conformer, rien que pendant cette saison pluvieuse, afin d'éviter des pertes en vie humaine. Hein. Donc ça nous permettrait de sauver des vies et éviter aussi des accidents. Une dernière question. Euh, chef euh, la baignade des enfants dans les eaux de ruissellement est une pratique courante euh, quand il pleut ici à Gaïa ou ailleurs, mais euh, elle est également dangereuse. Comment sensibiliser les parents à ce sujet Ça, vraiment, c'est aussi une très bonne remarque. Pendant la saison pluvieuse, vous voyez que les enfants sortent dehors, se baignent dans les eaux. Donc ça, ce n'est pas sans conséquence rien que pour leur santé, c'est pas du tout bien. Donc vous voyez que d'autres enfants de pluie peuvent se retrouver avec au minimum le rhume, pour ne pas citer autre chose. Et surtout que ces eaux-là, on ne sait pas ce qu'ils emportent dedans. On peut avoir des morceaux de bouteilles, quelque chose de tranchant ou de pontis dans les eaux. Et le plus souvent, c'est à pionnier, on les voit dans les eaux. D'autres peuvent même tenter d'emprunter des ravins qui sont un peu plus grands, notamment dans les quartiers où souvent quand il y a la pluie, on voit des grands ravins qui traversent la ville. Et souvent, il y a des motocyclistes aussi curieux, ou, comme on appelle euh, des usagers qui ont des véhicules, voulant passer dans les ravins qui, en tout cas, souvent, ils sont à grande vitesse, peuvent emporter le véhicule, soit la moto, ou voire même les enfants qui se baignent dedans. Donc, cela aussi est à éviter. Donc, vigilance accrue au niveau des parents, en tout cas sur leurs enfants, de veiller sur eux, en tout cas afin d'éviter aussi ces genres d'accidents qui sont en tout cas récurrents pendant les saisons pluvieuses. Merci encore, adjudant-chef euh, Suleiman Assouman. Euh, je rappelle que vous êtes le responsable des sapeurs-pompiers de Gaïa. Euh, merci encore pour ces conseils très importants. Merci à toi Fadelalou pour cet entretien qui va aider plus d'un cher auditeur. Nous allons prendre une pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Rukayatu Abdraman et Rabia Mekano. Passons à notre rubrique hebdomadaire qui s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Oui, Rabi est d'une superficie de 960 hectares. Le site biocarbone de Chabaret, dans le département de Tessawa est confronté à des menaces dont entre autres le feu de brousse et le déboisement.

a ciki an yi aiki bisa eka 860 akwai kingin eka 100 wadda aka bar ma bisa shi kan abin nan wurin makiyaya haka eh, yana da tsawon kilo goma kamar abin nan kinshi in an dauka zagaye shi a takaice kenan yanzu me ke zama barazana ga wannan daji to alhamdulillah in aka ce daji barazana shi yawa gare ta yanzu kun ga dai a yadda yanayin da yake ciki ko da yake a baya bayan nan ma har mun samu eh, harkar eh, tashin wuta wadda mutane suna shiga suna huta kuma daji in ya bunƙasa kamar haka kenan sai an mushi eh, sai an ɗauka mushi matakai tunda yana samun barazana wuta kuma wuri ne wanda yake da faɗi da yawa kamar ma'aikatan da suke kula da wannan kinshi gaskiya sun yi kaɗan saboda in kana wani bangare can wani bangare wani abu yana iya faruwa kenan sai an samu karin kamar wannan kin masu kula da shi kana nufin wato mutane da ke kula da wannan wuri ya sun yi karamci eh, to da suwa da suwa ne suke kula da shi masu gadi ne kuma da hama yan komitin wanda shugabannin ma kawai babu wani zancen wannan mai gadi kin ma hatta shi da magatakardar da wannan duka kowa abin ya rataya bisa kan shi tunda an bar shi ne a karkashin su dole ba sun bari ba abu ya taɓarɓare to ana kiran shi dajin shabara ko kuma dajin gwamna shan wani kira ne kuke ma gwamnati ko kuma kungiyoyi da ke kula da kare muhalli na su taimaka ma ci gaba wannan daji madalla Eh, na farko muna kira ga gwamnati shi tunda abu ne wanda a ƙasa yake kuma ƙasa tana alfahari da shi kenan ya kamata lokaci zuwa lokaci ita gwamnati ta zo ta rika tantamna da mu su riga meye matsalolinmu saboda eh, shi wanga dajin ya zama kamar abin nan ne kamar na ɗaya ne a cikin dazuzzuka wanda aka ake aiki da su na abin kusa kan fannin ci gaba kenan akwai sauran abubuwa wanda suka rage mishi wanda dole sai an kama mu kadai al'umma abin kama tamu za ta yi abin nan tunda wani a buƙaci kuɗi ko ku wani abin wanda za a sanyawa a ce a yi aiki shi kenan gwamnati sai ta abin nan bayan haka nan kuma masu hannu da sunyi yi tunda shi gwamnati shi ke jawo su shi ma ya kawo su su ƙara nazari bisa kan ba eh, abin nan kin dajin saboda akwai abubuwa da ake buƙata sosai wanda ba na aka tsaya ba kamar a tsaya ga haki kadai a'a wanda wasu ma na kasashen wasu za su rika zuwa su ziyarci wurin wurin ya rika samun ko wani amfani daga kasashen waje to wani kira kake ganin cewa ana cikin yanayin canjin yanayi da kuma illolin da ke tattare da canjin yanayi ga musamman ga irin wannan dashi madalla abinda zani kira na farko nan zane shi cikin al'ummar shabari eh wannan itatuwa mutane su kiyaye kishinsu saboda an sha wahala kuma su ne suke ƙara taimakawa wajen yanayi mai kyau na farko kenan kuma gwamnati shi ma muna kira gare shi saboda eh, akwai gurba-gurba wanda suke son eh, gyara saboda aikin yawa gare shi kenan gwamnati shi ma ya zo sa hannun shi hannun shi kuma so muke yi gwamnati ya ƙara ya kama mm, mm, manya-manyan gidan radiyoyi wanda za su abin nan shi a duniya a san shi a san shi yadda ya kamata yadda za a ƙara samun wani gudunmuwa ta wannan kinshi kuma bayan haka nan akwai wuri wanda muka hudda kuma can wurin muna son shi a raya shi saboda barazanar makiyaya a raya shi ya zama yana ɗaukar ciyawa don saboda shi wannan wuri ya zama kawai wuri ne na abin na, na kawai abin nan babu wani kiwo da wani abin nan kenan in aka samu aka raya sauran da ya saura can bisa kan ciyawa kenan makiyaya mun samu rago wannan kin makiyaya kenan shi ma nan gwamnati sai ya kama akwai saba samu wani tukuici a game da wannan daji to tukuicin da muka samu kamar na harkar yanayi ne wannan da ake cewa gurbataccen iska biyo carbon eh mun samu tukuici na miliyan 25 akwai kuma sauran da muka samu na miliyan 12 shi ma tukuicin duka albarkacin wannan kin ne wannan iskan nan gurbataccen iska wanda ake cema biocarbon wanda yake abin harkar yanayi to kenan ko so muke yi muhimman haka nan mu yi haka nan kenan in an kama mutum tunda muna yi muna yi bakin kokarin mu kenan muna son kuma gwamnati ya ƙara maido hankalin shi yadda abin tahiyar za ta ƙara muhimmantuwa a samu abu wanda su wannan kuɗin tunda in an same su suna rage wasu ayyuka ba sai mun tambayi gwamnati ba wani abu C'était la rubrique hebdomadaire sur le site biocarbone de, la, de Chabaret, confronté à des menaces. Fidèles auditeurs, avant le reportage des régions, nous vous proposons un autre tour en musique avec le titre De la danse à la musique de Mariello. Mariello. Je fais danser la capitale avec mes flots. Tous mes gars sont chauds sur la piste, sur le feu. Soirée vient, vivez, nous on va célébrer. Ne fais pas les morts dans le club, c'est gâté. Ils m'ont dit de pas lâcher, donc je force l'entrée. Je me sens un peu bizarre, comme larme larmes fâchée. J'achète mes soins, n'en déboutez pas cher. Diallo, my name, je me pompe pas la tête. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé c'est validé. Allo yo meuf, t'es où là ah, Eh ben à la maison. Mais qu'est-ce que tu fous à la maison On est là, la soirée on t'attend là. Ah ouais, tu es de la moyenne Eh écoute le bruit. Tu entends Il y a de la chicha et de la vodka meuf. Allez Jusqu'au petit matin, DJ, vas pas mets le son. Y'a va-bien comme Paris centre. L'équipe m'a validé sans prise de tête. Je me sens well sur la piste de danse. Welcome, welcome dans la partie. Danse, danse, move, move avant de partir. Prends un selfie avec un sourire. Pour un souvenir, c'est ça la belle vie. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est va. La vingtaine Marie Abdoulaye Doti Diallo, dite Marie Diallo, est à la fois danseuse et rappeuse. Chanteuse à la voix grave, elle est aussi membre du collectif Son Niger qu'elle a intégré en 2020 en qualité d'artiste rappeuse aux côtés de sept de ses consoeurs. Elle a aussi remporté le concours tremplin des jeunes talents du Niger édition 2020. La jeune rappeuse a pour idole des artistes urbains chanteurs tels que les rappeurs français Zao, Black M, Maître Gims et des icônes comme la rappeuse Zedem et des stars de la old school nigérienne. on passe à la rubrique écho des régions. Oui, Rabi, au Niger, depuis quelques années, une nouvelle tendance est à la mode. Il s'agit du patin kawyawa. Cette pratique se déroule à l'occasion des cérémonies de mariage ou de baptême et initiée par les jeunes filles en mémoire de leur sœur du village. Détail dans cet élément de Zarabuka. Le Oyawa est une pratique chez les jeunes filles à l'occasion des cérémonies de mariage ou de baptême. Elle consiste à se déguiser à la villageoise selon le groupe ethno-linguistique des jeunes mariés. Habillement hybride et multicolore, foulard attaché gravement à la tête, le tout couronné par un maquillage excentrique pour imiter les sœurs du village. Pour quel motif je participe au Patin Kawiawa seulement de temps à autre quand je suis invité. Et ça me plaît beaucoup parce que ça fait revivre les traditions de nos différentes cultures et communautés. Et c'est une fierté pour nous. Un tout nouveau concept qui se traduit par une rupture progressive de l'imitation culturelle et une volonté manifeste d'un retour à la source, explique le sociologue Dr. Abdelhab Soumana. C'est une sorte de retour à l'identité, euh, le rappel de l'identité ethno-linguistique culturelle donc euh, on a envie un peu de se démarquer des autres filles qui sont là-bas et donc il faut s'habiller comme euh, les parents de la jeune mariée. Des fois il y en a qui font les deux, qui s'habillent comme le groupe ethno-linguistique de la jeune mariée et ou les groupes ethno du jeune marié, ont surtout le groupe Peul, Kanouri, Zarma, Touareg surtout. C'est ces quatre-là qui sont les plus imités en tout cas parce qu'on pense qu'ils ont des habillements très connus, très particuliers. Ils font les scarification, les balafres, euh, soit euh, avec de la craie, avec des marqueurs, des feutres, pour montrer un peu l'identité. Un retour spontané euh, à l'identité, à l'origine, pour dire que, bah, écoutez, nous sommes dans la ville, nous sommes des citadins, mais nous n'avons pas oublié nos origines, voilà qui nous sommes, qui sont nos parents, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes prêts à redevenir ce qu'étaient nos grands-parents. Cette pratique a permis aussi de faire ressortir les identités ethniques des populations au grand profit de la jeune génération. Merci à Zara Boukar de nous faire découvrir le au Yawa. C'est l'heure d'attaquer le sport et nous sommes en compagnie de Hasumi Grouza. Bonjour Hasumi. Ah oui, le patin kawaya, c'est bon à dire, c'est la culture nigérienne. Ouais. Merci, bonjour. Grouza, bonjour, bonjour, euh, le samedi 20 juillet dernier, un tournoi de football a été organisé à Terra. Oui, Rabi, dans la ville de Terra, c'est le quartier de la résidence qui a organisé cette rencontre de foot pour la deuxième édition. Et c'est pour consolider la fraternité entre jeunes autour du ballon rond. Retrouvons le reportage de notre correspondant Kanda rendu au studio Kalango par Fanta Cette initiative entre dans le cadre du renforcement de la fraternité et de la cohésion sociale entre les jeunes du dit quartier. Pourquoi ce tournoi est-il organisé et quels sont ces objectifs, suivant les explications de Youssouf Hassan, président du comité d'organisation de ce tournoi de football. Euh, l'objectif qui nous a motivés à organiser le tournoi, c'est vraiment la fraternité. Le nom même du tournoi, c'est Coupe de la fraternité Résidence Terra. Pourquoi Résidence Terra Parce que Résidence Terra, c'est notre quartier. Le but recherché, c'est la, euh, la fraternité d'abord. Maintenant, le développement des talents de football de nos jeunes. Cultiver la cohésion sociale et la fraternité au sein de notre quartier. Les noms que portent d'abord les équipes, ce sont des noms qui ont des portées, qui ont des significations. Donc on a Wafake parce qu'on cherche Wafake, on a solidarité parce qu'on cherche la solidarité, on a espoir parce qu'on a l'espoir qu'un jour notre football va se développer, on a avenir, on veut que notre équipe ait un avenir. On a Kerjubangu qui est un nom qui rappelle déjà l'équipe qui jouait depuis dans les temps dans ces quartiers-là. Cette année, c'est la deuxième édition. Donc l'appel que j'ai, c'est vraiment que les gens de notre quartier, de tous les départements même, regarde cette jeunesse-là, qu'on puisse les créer d'abord les cadres, qu'on puisse développer leurs talents. Et un jour, on verra que des mères vont sortir d'eux. C'est un tournoi qui réunit l'ensemble du quartier résidence des Tira et la jeunesse, surtout en cette période des grandes vacances. Selon Nourou Abdoulaye Idrissa, capitaine de l'équipe à Avenir FC, le football est un moyen de lutte contre la délinquance. On a joué avec Solidarité FC et on les a battus 2 buts à 0. Pour ce qui est de l'organisation aussi, sincèrement parler, ils font de l'armée. mieux. On ne peut jamais finir de les remercier. C'est des gens qui se soucient de l'avenir des enfants de ce quartier parce qu'aujourd'hui, le foot joue un rôle très important. Et le foot, si on peut dire, c'est quelque chose qui, ça peut même pallier la délinquance. Quant au capitaine de l'équipe Wangari FC Nuhu Isufu, ce tournoi de football va créer une cohésion parfaite qui va au-delà du quartier résidence d'Etera. C'est un tournoi qui a débuté l'an passé. Je peux dire que ça peut contribuer à créer une cohésion entre les jeunes parce que ça va au-delà du quartier. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont donnés volontaires pour participer dans ce donc je salue vraiment les organisateurs, ceux qui ont eu cette initiative. Le football, ça permet vraiment de créer des connaissances qui peuvent euh, servir au-delà du sport. Ce tournoi de football permettra de consolider l'unité entre la jeunesse des terrains. Gourouza, continuons ce rendez-vous sportif. Enfin, le stade général Sénécountier va accueillir les matchs de l'AS Garde et l'AS Fan dans les compétitions continentales. Oui, Ruki, euh, c'est une bonne nouvelle pour les Nigériens, car le stade général euh, Sénécountier de Niamey n'est pas homologué pour recevoir des rencontres internationales. Vous vous rappelez, l'année passée, les supporters et les clubs nigériens ont suffi souffert. On souffert. On souffert. Hein. Oui, on, souffert. <laughs> énormément de ne pas jouer euh, sur ses propres installations. Cette nouvelle va galvaniser les acteurs du foot euh, et les supporters de leur équipe. En tout cas, pour que euh, les matchs se jouent sur leur propre installation. Mais pour être là, il a fallu la diplomatie de la Foot, la Fédération nigérienne de football, avec la CAF la Confédération africaine de football de euh, négocier euh, que euh, notre stade puisse être vraiment installé. L'AS Garde Nationale va accueillir le 18 août 2024 le Raja de Casablanca du Maroc au stade général Sénécountier de Niamey. Le 25 août 2024, l'AS Fan recevra en match retour l'association des chauffeurs de COSA du Togo, toujours au stade Kunche. Mais l'association des chauffeurs, c'est vraiment à saluer. C'est une équipe euh, qui a gagné, en tout cas, la Coupe du Togo. Voilà. Ça, va mettre l'ambiance au stade. ah, mais oui, euh, oh, hein. on sera là-bas. <laughs> Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Oui, le portrait du jour nous conduit à Koni, région de Tawa, à la découverte du président des personnes handicapées. Il s'agit de Yakuba Hassan. Pour éviter de se lancer dans la mendicité, Yakuba dit Anko Salkin Gouramou, handicapé originaire du département de Koni, exerce le métier de cordonnier. Grâce à ce métier, il parvient à nourrir sa famille. Écoutons son entretien avec Asumana Moussa. kasan mu ɗan sarakai kowa na dima mutum dan sarkin kwanina a ce bai sana'a to sai ni ni dibi kana matsayina na gurmu lalle hakikan yana yana taimaka min kuma ina da ɗaya wanda ka taimaka mini amma sai ni ga cikin taimakon za a yi mini duk ce musu agaza mini yan sana'a ta hannu saboda mi zuwa gaba yawa babu su kusa yanzu kaga Allah taimake ni sun ka agaza yanzu ga ina aiki abin da shayin dunkin takalmi tun da garawa kai duk da allura ta dunkin takalmi ni ba sai na ni na kawa kai na ka kai kamar shekaru nawa kana gudanar da wannan sana'ar taka to yanzu kamar da lokacin fara koyon ta yanzu ya kai kamar shekara ashirin da biyar haka to sai dai lokacin da muka fara yin ta kasa lokacin akwai yaran ta ciki mun dan aje ta maka kamar sana'a bara akwai wanda ya koya maka wannan sana'a to akwai wana da aka ce ma Alhaji shi ma bai maradi to shi ya bani shawara ce min ta wurin Ali shi koya min ga sana'a akwai wani gurmu da aka ce ma Ali nan kwani dan da mai yawancin mutane dai sai guda guda ne bai san gurmu Ali ba to shi na zama wuri ne zama na da ni wurin Ali in Allah da ban dade ba na shekara bakwai zama wuri ne ina koyon wanga aiki kajin wannan sana'ar tana biya ma bukata yanda ya kamata to lalle lalle alhamdulillah kowa san da yanayi yake na magidata ni karin ba kai maka can zan dan yi maka tsokaci kadan ina da mata ina da yara to kenan kaga ba haka nan dole lura ta yawa amma haka nan cikin ruhan asirin Allah Allah ya yi mana arziki kullum wurin ga muna ya samu abin da ka ci mun bai iyali eh. to shi kuma ka san shi arziki na ganin shi nuna Allah na akwai wasu wani cikas wanda kake fuskanta a bangaren sana'a taka eh to ka san shi sana'a ya ba sa kalubale babban kalubale mu kuma abin da muka roƙo ga Allah don Allah jama'a masu hannu da shuni su taimaka mana ko da cikin bangaren zakana da suka hiddawa taimaka taimaka mana da abin zakkan nan mu mu ƙara jari kuma sawo sauran jama'a namu mu koya musu ga sana'a saboda abin zance maka su masu cin ne sun sani kuma su masu hali sun sani ba halalura duna yanzu babu kuɗi yanzu misali wata rana sai ka ina zamne kana aiki cika ta bawaye ka wata rana kuma kana aiki sai ka samu hairi cika goma in to wannan jikka goma da ka samu da su muke economy sai mu so kaya kenan raddu ba a samu ba kuma su mu kuma cikin su muna gurgura eh, kuma baya haka da zan faɗa maka akwai yaran nawa ƙanana wanda ni koya ga sana'a ko da Allah kadar na gusa na bar wangaurin za su yi wannan aikin ni ma Allah kadar akwai gura gone na koya ma kuma bayan gora guwa ko ɗaya na kai wanda na aihuwa su ma na koya masa hauka sana'a alhamdulillah na ka gani ne samu ci gaba ni ma na samu sun samu ci gaba ba gari akwai wani kira gare ka zuwa ga sauran gajiyayyu ko ko gora guragu don ganin cewa sun gudungumin sana'a wadda ta hiye musu yawon bara yanzu ni abin da kira ga yan uwa na guragu da makahi da sauran korami kan jama'a su dibi cewa wai na kasa kasa wata na kasa ba kasa wata su dibi in yau zuwa kurciya gobe girma zai kama yanzu mu da muka yi a hannu su yi misali gare mu yanzu ka mu da muka yi a hannu in dai ba Allah ya kai matsayin ba mai ɗaukar allu tura ba mu rike ga hannun kullum Allah za mu samu abin da mun ci to su kuma za su kai shekaru da mutun ya wuce shekara 50 ya yawan bara bai ya mai to mu shine muke son ku ƙara gane cewa wannan bara ha kullum kullum ba gina kuma banda nan birnin kwani duk inda almajirai suke duk inda gajiyayi suke kowace ƙasa ta idan suka ji wagga ni matsayi na sarkin gora gunan birnin kwani ina horon su don Allah da annabi Allah su kokarta mu wa rayuwar mu kishin jicci mai sana'a Merci à Asumana Moussa pour cet entretien. Euh pour ce portrait inspirant, clôturons à présent notre playlist avec le titre Bouchacha de Abdou Tambalio. titre Bouchacha de Abdou Tambalio Rabi, on passe directement au loti du jour. Oui, et le loti d'aujourd'hui porte sur le contrôle parental sur la télévision, les téléphones Android, les tablettes des enfants pour éviter d'exposer ceux-ci à certains contenus non adaptés à leur âge. Salamatou Kadri et Aminata Boubacar nous présentent la situation, on les écoute. <laughs> Lotti, Lotti, Lotti. Así vamos, Rayyan. <laughs> Hai, Samira, tela da nubetin wasu-wasi. eni mirka bani ba funadin kul tela ganda noni gate. Chini zari sifunu, wat kul tele gunen irkwese awasa. Salamu alaikum. Hey, mamu. bani nugo so bai ko ciwo ga yakini aigo halwindo me aigo wal walbe na ga bogai senon go gisala ai no buli zan kai wo dai no ba ga ya lomaro jajandi hai kunni si ga hansa windo ra kal tele gune ba dai bora ka kagun wari keke hanfoyan bora stun television wo maga gun dai ga dai kwar samira hai ga hima nigi ne mu kal kadai ni hin su zamani zan kai wani singi gangi tele guniyan fa to gunme bani ga bani mi don ton buti kodo hadde man tuntungu ko ga do ka ikan bairano wannim tela dai kota kota isi mani se ha ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele gunyanwo da ba gumo a ga hinga kan sandai bora ga han do haga son ka binde zan kai wani funa do hari ha babuli ya dinga ni ko faman dai se ka ga hinga bora lutandi wala ma danandi ni lakkalo kanandi mamu dan matkan be kai ko nai wani hidafa ag hinga kande sandai iwan bafuna do haga sonka binde kina do haga da mo kai lakkalai do haga kan yamman to giri hinza ifo no ni goga faman da sai koi ne ma na bo koi ne mamu furta jai do haga wo nigidi ti la gunyan wodin da bagumu agi bun bu in poi foga inga chalega wa to kulin gai hinne isi ba fa ka gai modin gai wan hayi gai ka gi himanda da mo koi ne iwan chawo isati ambuge ingai wa haikan sa kullu daigati te ladin union oho niga chumbo buli zamai kwar samira da chat hal composition odinga aga bisa ai go gai bon ha bon bo hay kan do ko tuyo ha ni woni bono ni izo dan tele gunyan yaki ni ni ma ga cinga fa kare dano wal mo manan am ko a wan chal wan diedo im cinga fore so ni ko fa man dai se kan ya dinga wani masal ban batano ai kan me kalba television wodi no ga nan am furcha lai jine zama han da ka ginga faransi ci ni ban bata ban bata fuan tai se ai wo se ba fa mai ka ga nai se han foya a zare kan son wani ni bai dini bon bumboda ni hima ga da bar samu wasi ai mu han ai kwara ai na telawi ai wan izo ismail aka furai sai fura da futai da katikatiyan haikan sai na tilawi abin da lokacin din kina aka saban da kan a wani hasai lokacin fugai kwara inga dai nuna ino ya maryam matkai himagati abin so ai zan kai dai wallahi alhamdulillah shi igin gai furai te haifai mustugin sai chogo ido go bagai wana ko bai vitare ba da baliyan <laughs> be mata no te faman dai sai me buli he son kunno nin haya hanu teni ni bonsi hanni gina ni izai muka so bai gugo gini. duba ga hamzin yan diyan nan kwande hadda kanisi aga bisa ibongai ga fergu tonto iga bano mo guburi son daboro kulgo ni se ngono ni go faida yim diga kata kata ibon se yakin cine hanfo kalai bino mu koi kai patga funga kan ai mu buyi mu koi ga bugu furu de son ai kwar samira ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka deni min za ka hau guburi har dai kociya man manto giri hinza masta am tele gune ba a tomo giri ka a himga tela gune ma bai si jir kanyan a himga gun tela ga damo lokaci kan a himga da si jiro ngoga danga dai am si bisa guri hinka yancin noya nimcin ga lakkal mo ga gun gadi tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan giri mara kan cinno bora himga si jigadin gune aman ban kwai ne din si ba mu am si jir fo gune nigi hinga kwadi dangaga kan ga nan am sa gune wankan ne control parental noya ah buli wo kan ga hantum ganda kan go kurkuto da raki gadan bore kan manto wai go koi wai cin da hinka filmai ganda ai mo go kai bon fo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiruwai cin idu da jiruwai cin da hakubun boda i wana i gunu amma da halka son i manto wadin aha son na faham buli son da faham gaba internet to bumbo ai ga hinga su bana se haika ka ga hinga te abun wala son kunno ni faham mamu to ai man ne wo kai samira a ga targa yarda amma dai nimsta dai amiga wani kwasa din dangin mu dabal he buli ni na fundo fa ba zahun kuna inga na yi ce ciga masalawo banza ai sihin walla ai zai mu kai ta sai tubbe windo a to a ga bisa Merci les filles pour vos conseils fidèles auditeurs. Nous recevons dans la culture linguistique d'aujourd'hui Moussa Hassan. Il est secrétaire général du studio Kalangu. Il va nous expliquer le mot noyade. Bonjour, bonjour Moussa. Bonjour Rabi, bonjour Ruki. Bonjour. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler de noyade, mais en zarma, yule noya, harira yule. Iri Kalangu hangan dallakari ga ara fonno goyde ko krokan godan ga hangan se dallakal un kuna yuli yang bonno ir suban irma salangaran si amma kaka saban dano kan avril hando jiri zambara hinkan da waran shi nifa avril hando ra ngno ndu nyamar bambata oni e wane marga fawra isuban im sambuji ya hando jibo ran kicin duguwa zari kan igitan gamda harira yole yango misai imte bombatu kan borewa da a seno hun kuda ir suban sallan misalan yoliya wobo yoliya giti bor mu fur harira ni gwanji yan suwanji yan haro din de am tun sinan kan singin bon ka ara kal ke fo yan aga to bor se fundici daga wala an bora mare silman kaina ni di boro bangu wala isa daren diyanga aga ko fur ndongo fo kan bai da gusu yan kan kai di amisa wala hamisa fo kan ka a gusu gutonton amuyole asin ngi bon kaba tamadira hala ko to si fundi chine nga fo ba funu nga mega waifa ba ai gugu yole to halo da bore ya ko wasu gudu fa ba fo yemu ka daidai irko hina dinga bonara am fatinga bonse wala haro ma katare wolmu am janga alomaru no wono hando kan bisa haran jiro re kango koy kubu no wono hando kan bisara ine kwara kauye kauye kwara kanga to zangu ta kira bore yannu har kiki ka yulandi kai diya misai harin ware kan yante wala har kan yanzu rufur kwarera wodi yan fondara ana alomar yanka ana boriyar lebandi ana boye mu mare a seno zaro kan ika dunya me amera yole yango maga iga sambu kubore yamar kubore lakale kendi yole yang a misabu sanda kan gwara matro bore ga tegi wada ka tete yan fudim no igtara fondo kon no fondo igin ga sambu kan ga bore wada yoli yan nga kande fondo sintina de kan ga bore ya marda ga ci in bore don don jiya Zan kai, za yi ga kaina imiceci ji ko goni kan gwani wal sorko imi don don jiyan kai ni kai na manti bora te ji yan goni bo ha kan ga nan dai kya kuma bora gishi cikin bon fa ba hal burfo kakdiya se am fum kambe wodin go kosare bere ra kanyan buregi maga teda yadin no duburgo ko kunyumai bangu wal isara ci fu se imma bayinan kan ni go ko in bai yamaran k'i tenise in bai da lakarcin dengon ki te ima tin se amma mutu nay go koi si bena kan go koi mu koi harira har fondu bora yole hal bay ku bore koi ka bai asaro wata abu garam te girbiyan hal bay koi ka bai aga woni ça vous, si chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en en n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64 et cousons à présent les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. neo studio kalangu za wallahi riga kapter goga hangan ko ni sigir hannu ni gite kan gala bizai kulu bongai fer gumo irgo faham studio kalangu ayo sigiro se studio kalangu bai ga hansa to ya hansa yan wo kai ndai no zakan irko maki mo sigire ci gote wallahi kunno irgo faham ga to ai go konni bore kulfo ko ina go niger bore kulfo ko kondi studio kalangu gine ai mahamma kan igaba di sele ai wasaran do borno gonga kon nan dogore inshallah ayir sabaran sai gum gum wani wani bin da studio kalangu sigire kan agate iga ba gondo ko kare mo kan igite kanta ikorai ba san sangi ina radio foyan kai yamma tibun bai wani ini margan dangai ngan dai gogoi ir sab gumo dan kinara kuma igon sigiri kan igital kai bon ai feri wan wan bin san safarai do hare da zan kai wana an dunya wan ba ho wade kokarno gumo kir ngwara ir koma ir mai baban desi studio kalongon kunir gne wadi sahel bandes war radio gon na labar sai gutore wan wan minde inni zadde nay maame bonno i on mi sai to wai sarno ben bora maame fo wan wan minde ir won limo kan i bayda ko boy baba da ir won fami maame Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukai Top Draman et Rabia Mekanou. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. N'oubliez pas nos éditions en cinq langues à partir de 17h. Bon appétit et bon après-midi à tous.